il a droit à tant de jours, le Conseil constitutionnel, Boko le président Diomaye, il a droit à 40 jours. Vous mhm. dépasser le 12 septembre. C'est la question, moi. Mhm. Pour moi, l'Assemblée nationale, les députés, ils ont mal joué. Mhm, pourquoi Ils ont mal joué le jeu parce que ils sont tombés dans le piège de Sonko. Ils sont tombés dans le piège de Sonko. Bah, non, Sonko de plein nez, defal leen seen ma door a ñu un terme di teesante ak mom di ko tontu et tout ça et cetera nañu jël benen posture léegi aujourd'hui avec le timing et tout ça Sonko risque de ne pas faire de déclaration de politique générale devant eux parce que si on va dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'actuellement la discussion c'est comment dissoudre l'Assemblée nationale je pense que discussion pour le gouvernement c'est plus dans cette optique en plus fan le gouvernement bi driblé député xam fan la leen driblé moy dafa dit jël Sonko ne ko ñu tek ko ci côté ne Diomaye ngène amel affaire c'est qui discute directement avec l'Assemblée nationale ce n'est plus son go. donc ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont perdu sur toute la ligne ils ont perdu sur toute la ligne mais moi je trouve ça déplorable quand même parce que la démocratie c'est pas ça. Mhm. La démocratie c'est pas jouer au plus malin, jouer avec les textes, jouer avec ça pour pouvoir te dribbler et tout ça. Lolo du djoubel du jubanti. Tu comprends On a besoin d'une déclaration de politique générale. Comme Oudefko dans une, dans une assemblée qui ne lui est pas favorable, il a quand même le potentiel, Sonko, on le connaît, il a le potentiel, il a du répondant pour répondre et tout ça. Mais je crois que tel que c'est parti d'autres Kodefati. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas ça, hein ce bouguet là. Qu'est-ce qui Parce que pour moi, les dés sont pipés, hein, dans toute déclaration dans ce contexte. Encore une l'Assemblée nationale. Mais D'accord. l'Assemblée nationale, pas D'accord Assemblée nationale, mënatul mënatul réunir à nouveau. mais budget bu ko voter est-ce que du que diir du Non. mais admettons que le conseil constitutionnel puisque Djoma a demandé au conseil constitutionnel comment faire. Mhm. admettons que voilà c'est comme ça qu'il faut faire nous devons dissoudre on ne peut plus convoquer l'Assemblée nationale donc qui nous kii politique tu vois nous avons pour politique ça va dépasser le 12. Mm. donc on est dans quel monde c'est compliqué donc moi je dis à Ferbi, à ay et je pense que l'Assemblée nationale a très mal joué le jeu ils n'ont pas été intelligents ils ont répondu là de façon assez bête mm. et ils n'ont pas eu de l'intelligence à prendre de la hauteur et ils se sont fait mais mm. moi ce qui m'inquiète c'est pas ça qu'est-ce qui t'inquiète ce qui m'inquiète c'est quand j'entends gay Para <laughs> c'est quand j'entends Gay toute la semaine, quand j'entends les patriotes autoproclamés, toute la semaine du on va les écraser dans l'Assemblée nationale. On sera présent à 99,99%. Assemblée nationale, tout ça. Ah. Mhm. tu as envie d'une Assemblée nationale comme ça C'est pire que celui de l'Union soviétique. Mais je suis contre ça. Une assemblée nationale, vous ramener, tu vas laisser des gens. Mais c'est au Sénégalais d'en décider quand même. Mais non, moi, quand je vois aujourd'hui les patriotes autoproclamés dans le Gatsa Gatsa Bonyunek, j'ai pas envie de leur donner une majorité écrasante. J'ai pas du tout envie. Mhm. Parce que c'est pas ça la démocratie. Parce que démocratie, moi, demain, il y a un Ange beaucoup Larman mais dañuy discuter lu wax ma wara dindi HCCT. Hmm. ñu waxtaan ci bama d'accord ak moom mu dimbali ma avec ses voix ñu dindi ko mais suñu leen ma joxee man voix yépp ma wara décider de tout bu boba dé nañu au Sénégal. Hmm. parce que y aura que des erreurs pour que erreur yi bañ am. Il faut permettre à une opposition présente qui oblige ce gouvernement-là à travailler. Et puis là où les patriotes autoproclamés se trompent, mhm. ça se voit que c'est des bébés politiques la plupart. Hein. Ils n'ont pas, une longue vie politique. Parce qu'ils n'ont pas une longue vie politique. Si nous avons une longue vie politique, mais histoire mais histoire politique Sénégal quand je dis bébé politique c'est à bon escient ils existent depuis 2014. voilà alors donc faut arrêter. bébé politique moi, il n'y a pas une grande histoire. mais s'ils avaient une véritable histoire s'ils étaient vraiment campés dans l'histoire politique du Sénégal ils sauront qu'aucun aucun parti politique ne dirige le pays. Aujourd'hui, les 54 ce n'est c'est pas l'écrasante majorité à l'Assemblée nationale. quand j'entends les patriotes autoproclamés qui disent que aujourd'hui, nous régnons pas nek ce gouvernement, on doit s'assumer, nous n'avons pas sur le gouvernement et le peuple va nous juger et tout ça, etc. C'est des paroles de novices politiques. Ah c'est des novices politiques. Non, non, La euh, politique, ben. c'est pas ça. La politique, c'est le partage. Mais bien sûr, demain lundi compte, demain lundi compte. Comment demain fanano mais c'est ma thèse, que c'est les thèses que je défends tout de suite. La démocratie, un état de droit, la pluralité d'idées, la pluralité dans l'Assemblée nationale. Quand on dit qu'il nous faut... Mais ça, c'est aux Sénégalais d'en décider, Ben. Mais oui, c'est aux Sénégalais. Mais les Sénégalais ne vont jamais vous donner 99%. Euh, euh, non, euh, voilà. me dire le saine parolier. me là où j'ai peur, mhm. c'est pas que les Sénégalais, ils vous l'ont donné. Là où j'ai peur, c'est que les patriotes autoproclamé se permettre de le dire comme ça sur les plateaux télé. mais non parce que je suis pour la pluralité je suis pour ça. Ah? député 100% la bëgg mais donc, député <laughs> on n'aura que des godillots là-bas xam nga des godillots. non ben, gens qui vont appliquer tout ce que le parti va dire ils ne vont même pas réfléchir si ça va dans le sens du peuple c'est des godillots. Mm. on va remplacer les godillots. Benno par des godillots de la coalition Diomaye. C'est tout ce qu'on aura. Ah bon Parce que oui, mais, pour moi, quand toi. vous dites que Gay Parra doit être député, pour moi, je suis contre. Il n'a rien d'un député. Ah bon Non Gay Parra n'a rien d'un député mais il lan nga non parce que Gaïpara, tu es trop centré sur le coalition Diomaye tu défendras pas les. mais le peuple qu'est-ce qu'il est en train dire comme ça non tu étais dans la hein? coalition non pas du tout pas du tout. Euh, pas du tout. pas du tout non député pour <laughs> dans ma conception dans ma conception tu dois t'éloigner un peu de l'orientation de la coalition Diomaye mais non non non non

tu les appelles tous des godilles en plus dans la liste de partis politiques. non c'est grave parti politique bi ne la nii nga def Donc, def. peuple mais le, combien de députés m'ont dit ça quand ils sont entrés ils ils sont tous allés dans la logique. de mais nous li dans le 14e législature bi moo je vais vous donner une anecdote. anecdote. man je vous parle de de mon vécu au moins matin, j'ai un vécu d'accord et que je je je je véhicule coalition il y dès déglu ma bu baax Ange. Mhm. Bah il les gars là, euh, euh, je m'en fous c'est m'en fous une affaire là. moi me fii pour plaire à vos à vos internautes à deux sous là moi je parle au peuple sénégalais mhm. euh, ils ne m'intéressent pas ils attendent que pour qu'ils voient les lu moi ce que je te dis

indil ñu Ben PDS Ben PASTEF Ben taxaw loolu mo doon suñu coalition. bu ñu demee suñu coalition ma jël ñetti député députés ñu d'accord ñu ne ñom c'est des députés du peuple c'est pas des députés dégg hein, pas des députés de leur parti. Mhm. que ñom dañuy défendre les intérêts de la diaspora ñu discuter ces intérêts diaspora Nous mhm. ñu dem toute la France la Suisse la Belgique fu dem gagné, écrasé ben On les a tués, écrasés. Je hmm. convoque le 3 août. Le 31 juillet, ils sont élus. Nous soir, on a fait la fête et tout ça. Le 3 août, je convoque les pour que nous que nous les diasporas. wa PDS bi PDS wa PASTEF PASTEF wa mais c'est là que j'ai compris que c'est tous des goudillots. Et ça ne s'est pas raté quand ils sont allés à l'Assemblée nationale. Normalement, ça devait être un groupe qui devait se bloquer, qui devait bloquer le Benno Bokoyakar. Comment ça s'est terminé que tu es rentré dans ton coin, donc tu es au bout de que c'est liste parti politique. ne nekk que son député il va te dire comme Guy Para je vais défendre le peuple mais je n'ai pas vu ça encore il sera le pire soldat du PASTEF <laughs> donc ce sera un député Goudio d'ailleurs il a tellement l'habitude de mettre des Goudio que ça ne va pas le changer. qui est où député de Gueye. non yéene mais je dis il sera un député Goudio comme les autres. il n'est pas un député comme je le pense je le pense. mais si le député il sera député Goudio. d'accord waxal Gueye. ah man li bëgg mooy. dama lay après de. Est-ce qu'on peut gagner un peu de temps s'il te plaît Je vais vous je waxal si li ma l'Assemblée assemblée nationale ah. Ousmane Sonko ndax war na ñëw wala assemblée bi voilà bu GoPro nañu toog président jël ay décision Tasco. tas voilà c'est ça. bu ko tasee réew mi dellu ci du ñu nekkoon sont pipés ñu jubal directement ci élection législative le kook élection maire Ça bu fait ne mën ah voilà yaa ngi comme mënu nekk. yaa ngi may dégg ñu nekk ci réew moo xam ne dootuñu wax dañuy liggéey fàtte mbiram élection te ñun lu ñu dal e législative bi moo ñu ko dal ñu war ci tenir exemple pour que defar ay le choix de nos députés ñun on est conscient gis nga ñun Pastef projet la.

non war na Aliou eh, non mais il a déjà fait hein. man personnellement tu ci le député au Sénégal man Guy Marius Sagna moo fi sama référence di casse ba tëdd ci suuf. parce que ñaawlu na sax li tax ñu euh, euh, euh, euh, kii bi nu tudd règlement intérieur bi alors que moom bind na plus de 10 fois. 10 fois pour pour wax ne am na gàllankoor. donc li arrêté leen te boobu régime bi sax tawagu fi. Mhm. te lu ñu dal yëpp assemblée nationale bi fa nekk ñoom kuréel bu ñoom Abdou Mbow googu ñoom ñoo ñu ko teg donc ñun plus jamais ça la ñu bëgg dañoo bëgg sax cent députés yëpp. Next, nous, ñun bu ko wa bo bu ko politiques politique. quel démocratie 165 députés du. la Corée du Nord le Sénégal sera la Corée du Nord. après on va prendre son corps, on va le mettre comme il on va le mettre partout Bon, la jullé ça bien ko sax gis ñuy quoi. non mais c'est grave ce que tu dis. ñun projet Nous nous projet mais c'est grave Nous mhm. nga lu ñu député boo liñ dal Sonko pro lépp député yooyu la assemblée loi yi fi ni lan moo ko fi di rey gii ñu rey xale yi toog di leen jooy mais lan la peuple bi di xaar fi mu nekk nii député yoo xam ne danañ taxaw dindi voté boo xamante ne dem loi d'amnistie bi ñu fi teg danañ ko seppi raxasaat ko ba mu set képp koo xam ne sa loxo bokk na ci victimes yi maa ngi nuyu pré association des victimes de Macky Sall yi nga xam ne ñoo fi bay taxaw nañu pour taxaw carrément lépp lu ñu fi defoon ci victime

Euh, loi d'amnistie mais on a d'autres possibilités de les attaquer parce que loi d'amnistie parce que ça veut dire que à l'intérieur du PASTEF il y a des gens qui sont liés par un éventuel pacte

D'accord. alors jàpp nga peut-être bu ñu defee assemblée bi vous hein, pouvez nous jumeler li nga vous ne élection locale et ak élection euh, législative pour mu bañ a budget fort, en fait. en tout cas qui cumuler ñaari élection yi moi mooy li gën ci euh, Sénégal parce que boo xoolee élection lu muy euh, jël ci xaalis dafa bëri. Mhm. en plus aussi ñi ñi amuñu amatuñu jot pour def élection toogaat encore ñaar yeneen ñaari at nekkaat encore ci campagne pour faire encore une élection bu ñu tasee assemblée bi vous pouvez mënee coupler ñaar def ko benn rek après nous parlons ci l'élection, élection yi mën a leneen loolu lu baax lay doon. Hmm. Euh, tamit ci euh, règlement intérieur assemblée nationale. Hmm. def nañ ko wala ñu ngi ci yoon pour euh, defar ko. Hmm. mais c'est c'est dommage que il a fallu que premier ministre wara assemblée nationale dinañ ko def parce que nico ko voter mo ñoo ëpp ñoo majorité bi moo ko emporté. waaw waaw effectivement. ma c'est c'est malheureux que il a fallu que attendre que premier ministre wara pour def DPG pour ñu mën régulariser assemblée nationale. et pourtant donon na lo xamantene amna si ay député ko ci melni ni Mamadou Lamine Diallo wax xamantene revendiquer nañu pour ñu defar defaraat règlement intérieur mais faalewu ñu leen jamono jooju noonu parce que bi yoon euh, il faut premier ministre ñëw assemblée nationale foog ñu daaga sante ak moom euh, rapidement sëg nañ ci liggéey boobu noonu ba tey noppi nañ si ba desatul rek lu dul jëmal li nga xamante ne moom moo euh, modification yu ñu mel donc loolu lu ñuy lu ñuy ñaawlu parce que dañoo jàpp ne assemblée nationale donte moom mooy voté li nga xamante ne moom moo di loi moom warul nag ci benn infraction boo xamante ne il faut que nit ñi rappeler leen ne rek seen règlement intérieur jubul pour ñoom ñu

ba fekkee ne euh, règlement intérieur bi moo tax ñeneen ñi dem assemblée nationale pour ñu defaraat ko parce que tout simplement comme ni ñu doon wax keroog Guy Marius Sagna nee na am na député yoo xam ne koy firir donc du gis ne ñaari parti yooyu noonu ku nekk da ngay da ngay defar kooku du référence donc nekkul ay kàddu yoo xamante ne dañ koy mais li ma jaaxal mooy kura nee na euh, instant yi njabootu njabootu sénégalais yi nga xamante ne génn nañu àdduna nous avons la que nous la justice alors que nous les mêmes personnes ont voté loi d'amnistie. tu te rends compte de ça c'est grave c'est grave c'est maintenant qu'ils reconnaissent que amna na ay doomu. voilà parce que mais reconnaît aussi que dans dans aujourd'hui euh, les gens de la coalition Diomari il y en a qui défendent la thèse et qui sont députés comme quoi il faut pas toucher de cette euh, loi d'amnistie. d'accord il faut dire tout. j'ai toujours été contre cette loi d'amnistie parce que je jàpp ne ak li mu fi jur wala li nga xamante ne la fi jur ci ay ay nit mais fi gravité gravité bi dafa gëna dafa gëna a dense parce que bo sétlo ñom ñoko ko voté alors kii mi ngi wax coalition jomay bo xamné ne ben député Pastef bu non loolu bi ko voté non coalition jomay voté wu ko non ñom dañu seetaan mais ñiko ko voté tey bu dee ñoom ñoo bëgg ñu waaw mais il mais y en a dans la coalition jomay qui ne veulent pas dénoncer cette loi d'amnistie très bien xam nga toi tu le veux et moi je le veux il faut que ñu accepter que suñu bir on n'est pas tous d'accord. Ben, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a voté la, la coalition de Diomaye, hein. ben. tout n'est pas rose. Hein. Mm. -hmm. Ben sang légni. Tout ne peut pas être rose. Ah. Faut faire d'accord avec Gay parce que Gay néna ñom dañu bëgg 100% Assemblée nationale. Ben ne ko kon jamais de la. Su boba ñun bëgg ñu lolu. Xam nga lan mo dañu voter loi bi ni parce que bu faire une assemblée la dafa peut-être que fini loi bi dañu mais c'est parce que nous dañu problème loi ils ont de leur majorité pour loi mais quand je parle de bébé politique. même si c'est caricatural. en 2007 qu'est-ce qui s'est passé en 2007 est-ce que forcément député Benno yi waroon nañu manko boole amu sax kenn ku ci baña a voté waa d'amnistie mais Thioro est-ce que tu appelles ça la démocratie toi mais non ben? mais Thioro il faut qu'on rappelle à hmm. tous ces jeunes là qui font de la politique d'étudier un peu la politique au Sénégal et de comprendre l'Union. ñuy wax essayer ko méngale ak lu am ak lu comme Ousmane euh, Sonko révolutionnaire d'ailleurs en 2007 hmm. quand on est sorti des élections présidentielles au bout de cinq ans on en avait marre d'accord <coughs> on en avait marre sept ans nous a battu à plat de coupure avons def élection législative juste après l'opposition a boycotté la plus grande erreur de l'opposition Nous boycotté l'Assemblée nationale il n'y avait que les gens du PDS mm-hmm. ils nous ont tués de 2008 à 2012 il a fallu une mobilisation extraordinaire pour le trois quarts bloquant qui a eu lieu en 2011 pour empêcher les députés de voter contre. Mais est-ce que les contextes sont les mêmes Donc aujourd'hui, quand lui, il me dit il faut donner toute une majorité à une coalition ou à un parti au pouvoir dans l'Assemblée nationale. L'union arrivée avec, avec va nous arriver. mais les ne sont pas là. Il ne peut pas se permettre de Je suis contre. Sinon le soirée je mm-hmm. combattrai, je combattrai le PASTEF et la coalition Diomaye pour les élections législatives. je suis contre, je les combattrai. Si maintenant ils vont dans une logique d'ouverture, une logique de qui je serai d'accord, mais s'ils vont dans cette logique, je m'oppose. Ça, c'est aux Sénégalais d'en décider. Non, mais, non, les Sénégalais, mais j'ai le droit d'influencer les Sénégalais. Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai utilisé tu toujours fait. C'est pour ça que utilisé Je Ne me rappelle pas ça. Mhm. Je suis là pour le faire. D'accord. En tout cas, en tout cas euh, le dernier mot revient au Sénégal. <laughs> Qui dit le contraire Qui dit le contraire modèle boo xamante ne dafay xaw a équilibré loolu mooy démocratie bu comme ça il y aura des débats quand même contradictoires bu vous avez am vous ay lois yu war bu comme bii eh nii bu euh, une assemblée nationale comme la Corée du Nord. mais qui est le le dans le même parti dans la même coalition qui s'habille pareil qui tel scène poster bu ngande bi teg ko fii mais c'est julli mais loolu mooy lan. Mais ah. on est contre ça. Le pays, le Sénégal est un pays pluriel. Jamais la coalition Diomaye n'aura les trois cinquièmes e Jamais on se battra. Ah Jamais. dans mon rien que je vois les dérives actuelles d'accord alors. bien sûr <laughs> et tu as vu je moi je ne suis pas hypocrite hein. je te dis ouvertement le ma mhm. j'ai amené trois députés à l'Assemblée nationale. Mhm. le 31 juillet le 3 août. Je l'ai détraité de député Godio par texte. Man mi pendant six mois. Yo boulen, yo gagné. Trois jours après, j'ai vu qu'ils ont, ils ont trahi l'esprit Trois jours après le 3 août, document, je les ai traités tous de députés Godio. Alors, tu crois que moi, aujourd'hui, je vais voir cette tendance-là, mais talk du Nopi. Manela, si vous cherchez la des 3 cinquièmes, je me battrai contre parce que c'est pour la démocratie que je me bats, c'est pour la pluralité. Jamais je n'accepterai qu'un parti politique amène les 3 cinquièmes à l'Assemblée nationale. Parce que c'est pour préserver notre démocratie contre les dérives.

ñi ay parti organisé lañ am ay nit ñu nekk seen ginnaaw am xaalis di leen financé ñuy dem ndànk-ndànk ba jël ñu ci ñun prison la suñuy suñuy dirigeant génn suñuy militant génn prison yaa may dégg dama lay expliquer rek ñu cooki topp ñun peuple bi taxaw pour la première fois premier tour opposition di ko gagné ci Sénégal ñu ko jël kon c'est parce que dafa am fu ñu jëlee réew mi mais ñooñu laay wax est-ce que dinañ permettre def leen permettre li dal li Macky Sall def ba ñàkk nguur gi ñun dañ ko def ba pare di am na lu ñu naan aar suñu projet mouvement la mi ngi ci biir parti Pastef ay nit yu intellectuel ñoo ci nekk. parce que Seydina Mohamed suba su ma xëyoon gis bureau wala président Diomaye indi lu lu toll ne lu tarfatal ay nit ci loo xam ne pratique la bi fi waa APR nekkoon fii la ñuy taxaw wax wax ko xeex ba tey moo tax sànq ma la naan nañu réglé waat seen njaboot yi nañu réglé waat seen personnel. directeur yi sax donc loolu bu ñu koy wax waxuñu parce que dañ leen a compte dañ ko wax parce que dañ

Euh, le premier le président de la république son excellent Bassirou Diomaye da koy dégg ndax loolu lañu tax ñu def dañuy déglu ñëpp ñun luñu bëggul moy lepp lo xamné ne Macky Sall da ko doon def ay pratique ak ay nitam duñ ko ko may député yi ñuy tek fi tamit à l'avenir do leen fi gisati député muy taxaw di ragaju do leen fi gisati député muy taxaw nan parti bi lu mu fi tek ma indi ko ñu wateel leen ko loolu du fi amati. Mhm. ay député yo xamné suba fu fi Pastef indee lo xamantani ne nañu arrangé wul askan mi dañuy bañ barki dembo ndjay bi président Diomaye demee France. di seeti Gavi ak euh, bigays mais fi la tok ci plateau bi Maclédor ne ko fi nga dugg du foofu président andu ñu nga dem France di saafantoo Bill Gates ak Gavi man ma njëkk taxaw ne ko moytul Abdou Diouf parce que produit France la fi la taxaw wax ko lan la parce que dama koy orienter ñun bëgguñu pharma bëgguñu pharmacie bëgguñu seeni vaccin bañ ko waxe dégg nañu te dañu am droit pour wax ko ñol nak lay démé ci lepp nak relation internationale ak lépp noonu lay demee suñu diggante ay yees noonu lay demee projet male bi projet bi ñu teg tamit mu jëm ci affaire tirailleurs sénégalais yi mais ñëpp ko adduna bi yëpp ko salué ban premier premier ministre nga fi mës a dégg mu ciy wax. ci massacre Thiaroye 44 bi mu jël ci ay décisions yu ferme loo xam ne gars yi dañ ko doon raay raaye tuddee ko dossier secret. prôné secret amu fi te yéen du yéen a ñuy wax six personnes yi ngeen xam ne moom la ñu jël reconnaître comme mort pour la France. donc ñun gëm nañ ne projet bi mi ngi dem te ñi ngi ñi ngi avancé ñun foofu lañ def suñu bopp. projet bi fim tel ni nii inondation bi lu nekk ak fañ ko defee inondation taw yeeg magal touba gi lañ tal. mais yi gaay du wax taluñu mais tal nañ leen aussi muy en satellite bi nga xamante ne euh, lancé nañ ko Sénégal am satellite bopam ngir saytu ko lépp loo xam